le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum sachez que vous suivez à travers un réseau de 20 radios partenaires disséminés dans les huit régions du Niger. Vous suivez en direct les programmes du studio Kalangu, 18h15 à Niamey et partout au Niger. Au micro, Mariama Diallo Kenda. Bonsoir, bienvenue à tous. Très ravi de vous retrouver, fidèles auditeurs, et merci de préférer les programmes du studio Kalangu. C'est l'heure du forum de studio Kalangu. Les questions qui vous tiennent à cœur, le forum du studio Kalangu en parle chaque jour du lundi au vendredi. Le forum de Studio Kalango, un espace d'échange d'idées. Être avec vous au cœur de vos préoccupations, c'est notre objectif. Restez avec nous pendant 45 minutes d'horloge. Le forum d'aujourd'hui est consacré à la femme dans les médias nigériens, la femme journaliste, la femme communicatrice, comment elle travaille, quels sont les obstacles rencontrés. Le Niger dispose d'une population majoritairement jeune et féminine. Les femmes représentent près de la moitié de la population nigérienne. Un constat simple, aucune société ne peut s'attendre à avoir des résultats économiques satisfaisants en mettant de côté la moitié de sa population. L'autonomisation des femmes est une nécessité, elle est une condition de l'amélioration de la vie de chacun, en particulier des enfants au Niger. Les femmes sont victimes de discrimination sur le marché du travail en dépit de l'existence des tests favorables à l'égalité des sexes en matière d'emploi la représentation féminine dans les emplois du secteur public et du secteur privé formel reste très faible. Par exemple, sur 400 sur 46 906 agents de la fonction publique en 2005, seulement 2 390 agents sont des femmes, soit 22,15% contre 81,65% d'hommes invisibilité et sexisme, salaire bas. Dans le monde du travail, les médias ne font pas exception. Les femmes souffrent de multiples Inégalité par rapport aux hommes, déclaration faite par le collectif de femmes journalistes prenons la une dans un manifeste publié en 2014. Dans le domaine des médias, les femmes journalistes sont-elles réellement victimes de discrimination dans l'exercice de leur métier quel est le regard que porte la société nigérienne sur la femme journaliste Quel est l'impact du travail de la femme journaliste dans la production de l'information et de la communication Dans un premier temps, nous ferons l'analyse de la situation de la femme journaliste dans notre société, comment elle est vue, et considérer. Ensuite, nous mettrons à nu les obstacles auxquels font face ces femmes, leurs capacités. Pour terminer, nous tenterons de montrer l'impact du travail de la femme dans la production de l'information avec nous ce soir pour échanger sur la thématique de la femme dans les médias, Zara Meina, journaliste à la Voix du Sahel et fondatrice euh, de APAC Niger. Bonsoir Zara. Bonsoir Mariama. Merci d'être venue. Sani Souley Manzo, président de l'Association des journalistes du Niger, AJN. Bonsoir à Monsieur Sani Souley Manzo. Bonsoir Mademoiselle Diallo. Merci également à vous d'avoir effectué le déplacement. La première partie de cette euh, émission, chers invités, pour entrer en matière, je vous ai bien sûr présenté euh, Madame Zara Meina, donc euh, journaliste à la Voix du Sahel et fondatrice de APAC Niger. Dites-nous ce que c'est APAC Niger. L'APAC Niger, c'est l'association des professionnels africains de la communication section du Niger, parce que c'est une association présente dans 17 pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Centre et du Maghreb. Donc euh, la section nigérienne euh, d'APAC a été reconnue en 1992 et c'est une association qui est née pour faire face aux discriminations dont les femmes font l'objet dans les médias. Discrimination par rapport à la répartition des tâches, discrimination par rapport à l'occupation des postes de décision. Et aussi pour euh, euh, lutter contre les clichés et les stéréotypes qui dévalorisent les femmes et qui sont véhiculés par les médias. Monsieur Sani Manzo Soulé, présentez votre association et qu'est-ce qu'elle fait, cette association bon, L'association des journalistes du Niger euh, est le plus vieux regroupement de journalistes qu'on connaisse au Niger, puisque elle a été reconnue par euh, arrêté en septembre 1975. Elle est censée regrouper tous les journalistes du Niger, mais comme vous le savez bien, en 1975, non seulement nous étions sous un régime d'exception, c'était le Conseil militaire suprême, mais de surcroît, il y avait le monopole sur euh, la presse, le monopole étatique sur la presse. Il n'y avait donc pas de presse privée. Bon, depuis la conférence nationale et la libéralisation du secteur. Évidemment qu'il y a beaucoup d'autres associations et syndicats qui sont nés dans le secteur, de telle manière qu'aujourd'hui, en vérité, chacun, disons, prêche pour sa chapelle. Parce que vous avez des syndicats qui regroupent ou des associations qui regroupent des journalistes sportifs, des journalistes culturels ou des techniciens, etc. etc. Mais euh, de façon globale, je dirais que euh, c'est une association qui est censée, qui est censée regrouper tous les journalistes du Niger. Alors, euh, je reste avec vous pour vous poser la question suivante. Cette association, elle compte combien de femmes journalistes Mais comme je l'ai dit, elle est censée regrouper tous les journalistes. Alors, je n'ai pas en tête le nombre exact euh, de journalistes au Niger, a fortiori de femmes journalistes. Pour être franc, voilà ce que je peux vous répondre. Dans l'association, je veux dire, on compte euh, combien de femmes journalistes je, suis sûr que dans, cette association, il y a des femmes journalistes. Vous savez, euh, mademoiselle Diallo, il faut d'abord être encarté pour que on soit comptabilisé. Or, euh, comme vous le savez, dans notre pays, de manière générale, quel que soit le domaine considéré, il y a très peu de personnes qui prennent leur carte d'adhérent à une association ou à une ONG ou à ceci ou à cela. Il est vraiment difficile de répondre précisément à votre question. Alors, nous poursuivons cette euh, émission. À présent, nous vous proposons d'écouter un extrait euh, d'une euh, interview que nous a accordée une femme journaliste. Elle réalise des vidéos et fait la consultation en communication. Elle était, il y a juste un an encore, correspondante de TV5 au Niger. Elle a aussi fait de l'encadrement liftique depuis l'année 2002. Nathalie Prévost, qui n'est pas présentée dans les l'espace médiatique nigérien nous fait la peinture de la femme journaliste dans la société nigérienne. Alors je pense que la femme journaliste nigérienne se trouve dans une euh, situation qui n'est pas facile parce que plusieurs préjugés s'empilent qui expliquent qu'on trouve euh, finalement peu de femmes journalistes souvent dans beaucoup d'organes de presse. Moi j'ai personnellement animé beaucoup d'ateliers où j'avais du mal à trouver des femmes participantes. Je pense qu'il y a une première couche je dirais qui tient au statut général de la femme euh, nigérienne dans la société, un statut qui est encore plus difficile pour les jeunes filles. Ce statut contraint la femme a euh, une sorte de euh, réserve euh, qui fait qu'elle ne regarde pas son interlocuteur, qu'elle ne donne pas trop son avis, surtout en public. On constate d'ailleurs dans les études approfondies sur la participation des femmes que ça se traduit aussi par une moindre participation aux décisions du foyer et de la société. Donc ça, c'est ce statut général de, de, réserve de la femme. Ensuite, il y a un deuxième problème qui est que la femme journaliste, dans la mesure où c'est une femme qui s'expose, terme qu'il faut entendre avec toutes sortes de connotations euh, très mauvaises. C'est une femme qui s'expose au public, qui s'expose au regard des gens, et donc ça devient un peu la femme de tout le monde. Et comme c'est la femme de tout le monde, on n'a pas besoin de la respecter, et donc on peut se permettre toutes sortes de comportements déplacés. Donc il y a une question de statut de la femme journaliste, et donc ces deux couches, la couche générale et la couche liée, je dirais, à ces métiers-là, s'empilent pour exposer ces femmes à beaucoup, beaucoup de problèmes. On a des récits de jeunes femmes journalistes qui se plaignent de comportements déplacés d'un certain nombre d'hommes qu'elles ont pu rencontrer. Moi, pour rassurer les femmes journalistes, je dirais que c'est un problème général de la société parce que on a beaucoup de harcèlement à l'université, on a du harcèlement dans les lycées, on a du harcèlement malheureusement même dans les écoles primaires. Toutes les études montrent que c'est un problème qui a tendance à se répandre. Je pense qu'il faut que les femmes journalistes n'hésitent pas à utiliser euh, les institutions qui sont là pour les défendre. Je pense notamment au CSC pour que euh, ces institutions fassent le nécessaire pour mieux les Nathalie Prévost, ancienne correspondante de TV5 euh, au Niger. Zara Meina, donc journaliste à La Voix du, du, Sahel, dans cette peinture que fait Nathalie Prévost, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter J'ai trouvé que cette peinture euh, qu'a fait, euh, Nathalie Prévost sur euh, la situation de la femme euh, journaliste, elle est réaliste. Elle, a bien étudié le milieu et elle a, elle a peint en tout cas la situation de la femme nigérienne de manière générale, où sa place pour certaines personnes, elle ne peut être qu'au foyer, et aussi les pressions psychologiques qui s'exerce sur la femme journaliste du fait que c'est un métier public. Alors, dites-nous comment est-ce que vous êtes venu donc euh, dans, dans ce métier Je suis venue dans ce métier par amour pour ce métier, parce que depuis que j'étais sur les bancs de l'école, j'avais de l'admiration pour les femmes qui parlaient à la radio, que ce soit sur les radios eh, internationales ou sur la radio nationale, où il n'y avait pas beaucoup de voix en ce moment, c'était surtout celle euh, de la doyenne des femmes journalistes, Mariam Keta, qu'on entendait. Et euh, donc cette, cette expérience, vous l'avez vécue comment Je veux dire par rapport à, à ces pesanteurs euh, sociales, culturelles dont parle euh, Nathalie Prévost. Vous les avez ressenties Tout à fait, tout à fait. Alors comment comment est-ce que cela s'est traduit Est-ce que souvent vous aviez l'impression qu'on vous regardait de, de travers Est-ce que est-ce Comment est-ce que vous avez vécu cette, euh, je vais dire, ces, premières euh, euh, sorties Et je, reviens à, l'exposition et aussi à la conception qu'ont certains hommes, parce que je suis, j'exerce mon métier, je suis venu pour un travail, et si tu oses m'inviter quelque part, ça veut dire que tu ne me respectes pas. C'est, ça arrive. Ça veut dire arrive et et il faut savoir euh, être clair et direct. Je suis là pour travailler, mais pas pour ce que vous croyez. Et c'est comme ça que vous avez souvent répondu à ces oui, offres Oui, il faut refuser les, offres indécentes. Alors, Souley Manzo, président de l'Association des journalistes euh, du Niger, les hommes nigériens dans le domaine des médias ont-ils un comportement machiste à l'endroit de leurs concerts Bon, moi, je vous dirais très honnêtement, qu'il n'y a pas plus de phallocrates dans la presse que dans les autres domaines. Alors, comme l'a dit Haji Mena, évidemment que le comportement ou la réaction appropriée qui doit opposer la femme journaliste elle-même à ce type de comportement est tout aussi importante que euh, le respect que certains hommes, parce que ce ne sont pas tous qui sont des phallocrates, que certains hommes, le respect que certains hommes éprouvent vis-à-vis de leurs euh, collègues euh, ou de leurs consoeurs. Alors, est-ce que euh, dans, dans, les différentes rédactions que vous, vous, avez eu à, être, est-ce que vous avez constaté des comportements euh, de, ces, de, ces, journalistes Je veux parler de toujours des confrères vis-à-vis de ces femmes. Est-ce que parfois vous avez l'impression que ces, ces, journalistes hommes euh, se mettaient au-dessus de ces femmes parce qu'ils étaient au-dessus de ces femmes Non, je, je pense que... Oui, qu'ils étaient plus capables que ces femmes dans, bien sûr, l'exercice de leur métier Moi, vous savez, quand on parle de capacité, je me dis qu'en vérité, eh, nous sommes euh, hommes et femmes là pour exercer le même métier. Il n'y a pas à distinguer euh, la femme de l'homme sur le plan travail pur, puisque chacun doit se révéler par la qualité de son travail. Tout le reste, vraiment, je pense que tout le, reste est secondaire, quoi. Tout le reste est secondaire. Zara Meina, journaliste à La Voix du Sahel, est-ce que quelque part vous aviez vécu cette, cette expérience, c'est-à-dire que vous vous trouvez avec des hommes journalistes euh, et que souvent on, vous minimise euh, parce que vous êtes femme journaliste, on se dit bon voilà, elle, n'est pas peut-être compétente comme nous. Est-ce que vous avez vécu ces genres de situations Personnellement, non. Parce que j'ai plutôt évolué au niveau de la production qu'au niveau euh, du service des informations. C'est vrai que j'ai présenté le journal euh, en, en quand j'ai commencé à travailler. Après, j'étais plus euh, côté production là où vraiment je n'ai pas ressenti euh, cette question de répartition des tâches, le, le panier des ménagères aux femmes. Personnellement, j'ai fait pendant plusieurs années euh, une émission sur euh, la sécurité routière. je me suis retrouvée aussi à la rédaction au niveau de la direction des stations régionales. J'étais rédactrice en chef. Donc, personnellement, je n'ai pas beaucoup ressenti cet aspect des choses où l'homme se croit plus valable que la femme. Nous sommes euh, presque aussi de la même génération, nous sommes tous des produits aussi de la même école. En tout cas, les, journalistes de l'Orten. Alors, mais là où on peut peut-être euh, ressentir, c'est au niveau des, des, des, postes de responsabilité où le, le minimum que la loi a imposé n'est pas toujours respecté. Alors, vous avez que vous, aviez été rédactrice en chef, ça veut dire que vous euh, donniez des ordres à des hommes. Et, là aussi, il n'y avait pas de problème. Ces hommes recevaient, ces hommes journalistes recevaient des ordres euh, d'une femme euh, sans problème, bon, sans Bon, pas des ordres proprement dit parce que moi, j'étais au niveau de la direction des stations régionales chef service des informations à la direction des stations régionales. Donc, euh, c'est des éléments qui viennent de l'intérieur du pays. C'est vrai qu'il y a un directeur à côté pour coiffer avec lequel on travaille. Bon, là, en tout cas, j'ai exercé en toute liberté. Quand les éléments étaient trop longs, je ne me dérangeais pas pour ramener à, des proportions raisonnables. Même quand euh, le journaliste n'est pas très content, il envoie un élément de 6 minutes, je le ramène à 2 de 30. Alors, est-ce que. Euh, vraiment, je, ne me suis pas sentie supérieure ou inférieure à qui que ce soit quand j'ai été responsable au niveau de la direction des stations Et autour régionales de, l'information. Autour de vous, les autres femmes euh, journalistes ne s'en plaignaient pas. Vous n'avez pas reçu des, témoignages des femmes, des confidences qui parlait de cette, de cette ah, situation ah, Beaucoup même parce que euh, vous avez dit que je suis membre fondatrice de la PAC Niger. Et la PAC Niger avec euh, son partenaire Institut Panos, a mené une étude sur les femmes dans les médias. Et au niveau de cette euh, étude-là, il est ressorti non seulement la question de la précarité de l'emploi aujourd'hui, que la question d'absence de, de, responsabilisation des femmes, également la question euh, très compliquée de, ce regard de, de, la société sur la femme qui présente un journal à la télévision ou dont on entend la voix à la radio. Donc, euh, ce sont des, problèmes dont nous avons connaissance. Alors, il existe une charte sur l'amélioration de l'image des femmes euh, dans, dans, les médias élaborée par APAC euh, qui a fait l'objet la semaine dernière d'une signature de convention avec le Conseil supérieur de la communication. Euh, Zara Meina, vous êtes donc fondatrice euh, de APAC Niger. Parlez-nous euh, de cette charte. Que dit-elle de, de, significatif Et puis, qu'est-ce qui va changer avec la récente convention signée le 3 mai dernier Donc, comme son nom le dit, la charte pour l'amélioration de l'image de la femme dans les médias est là pour euh, valoriser la femme à travers les médias plutôt que de véhiculer des stéréotypes très négatifs, très nuisibles et qui, qui, ne donnent pas la, quintessence, qui ne donnent pas en tout cas la hauteur de la contribution de la femme eh, aux, différents domaines du développement. Donc nous sommes là pour euh, valoriser la contribution de la femme dans ces différents domaines. Nous sommes là également pour chercher à faire en sorte que les femmes soient également des responsables au niveau de leurs différents organes de presse. Donc c'est à deux niveaux. Nous voulons que la femme soit sollicitée comme experte dans différents domaines. Nous voulons également que les femmes soient responsabilisées, occupent des postes de responsabilité dans les différents organes de presse. Nous souhaitons également que hommes et femmes des médias prennent à cœur la question de la marginalisation de la femme et qu'il traite avec objectivité les problèmes relatifs à la femme. Ça veut dire que c'est l'équité de genre dans les médias que nous visons à travers cette charte. Alors, combien de femmes arrivent à continuer d'exercer leur métier après avoir contracté un mariage Est-il possible de concilier foyer, journalisme et journalisme dans une société sous le poids des pesanteurs euh, euh, socioculturels? socioculturelles c'est de cela dont il est question dans cette deuxième partie de notre forum sur la femme et le journalisme au Niger les responsabilités dans les foyers constituent-elles des entraves au métier du journaliste pour la femme nigérienne Nous écoutons à présent une autre euh, intervention de Nathalie Prévost, ancienne correspondante de TV5 au Niger. Euh, beaucoup de femmes, euh, quand elles se marient, euh, renoncent à ce métier, ce qui est complètement absurde. On est quand même dans une société où on a des femmes policiers, des femmes militaires, des femmes ministres, mais le fait est que un certain nombre de maris n'acceptent pas que leurs femmes fassent ce métier-là. Ils veulent qu'elles soient à la maison pour faire leur dîner le soir. Donc, il n'est pas question que la femme soit dans la rue, dans les campagnes, dans un reportage, à des heures où elle doit être à la maison pour faire le dîner du mari. Et donc, on perd tout un tas de ces jeunes femmes euh, lorsqu'elles se marient, qui quittent le métier euh, pour faire d'autres choses. On a des femmes ministres. Vous avez eu ici une femme ministre des Affaires étrangères au Niger, qui était quand même très connue, qui est toujours très connue. On a des femmes euh, qui sont dans des ONG, j'en croise plein. Elles sont sur le terrain, elles partent en mission parfois pendant une semaine. Il n'y a pas de raison que ça soit pas vrai pour les femmes journalistes aussi, qui font un métier très utile et qui font un métier qui est un métier de prestation intellectuelle et qu'il faut donc respecter. Nathalie Prévost, ancienne correspondante de TV5 au Niger, euh, Monsieur Sani. Euh, Monsieur Manzo, donc président de l'Association des journalistes euh, du Niger, les responsabilités dans le foyer constituent-elles des entraves au métier du journalisme pour la femme nigérienne Bon, moi je vais être très laconique. Ce métier-là, quand vous le choisissez, vous en assumez les contraintes. Vous en assumez les contraintes. En vérité, ce qui se pose comme problème aujourd'hui, et Zaramena sera d'accord avec moi, c'est qu'à l'époque, c'est en fonction d'un certain nombre de prérequis qu'on était orienté vers tel ou tel corps de métier. OK Aujourd'hui, il se trouve que on a du tout venant dans la presse. Et c'est quand les personnes arrivent sur le terrain qu'elles se rendent compte de la difficulté de la chose. Vous êtes entendu dire que ces femmes journalistes arrivent euh, dans ce métier sans au préalable euh, prendre conscience des, responsabilités, des, difficultés. Des astreintes qu'il y a à exercer ce métier. Absolument. Il y en a plein. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, euh, il y a une qui me disait Ah, Vraiment, moi, je pensais que être journaliste, là, c'est dîner chaque soir avec un ministre, être peut-être chaque mois dans un avion. Je dis, bon, voilà, vous vous êtes complètement planté. Parce qu'il n'y a pas que ça. Cela aussi fait partie du métier, mais il n'y a pas que cela dans le métier. Il y a des tâches beaucoup plus, euh, comment dirais-je, en tout cas, beaucoup moins gratifiantes. Et cela aussi, il faut le savoir et il faut l'assumer. Ça veut dire que donc euh, le, foyer constitue véritablement euh, une entrave euh, dans l'exercice de ce métier pour les femmes journalistes. Mais mademoiselle Diallo, vous savez, avant que d'être mariée, si vous êtes déjà journaliste, avant que d'être mariée, l'époux qui va vous, le monsieur qui va vous épouser, mais il faut vous entendre avec lui sur les difficultés qu'il va devoir affronter à cause de votre travail. Parce que ça suppose, comme l'a dit tout à l'heure Nathalie Prévost, d'aller sur le terrain. Ça suppose de travailler au-delà de certaines heures, etc., etc. Mais tant que vous n'expliquez pas ça à votre prétendant ou à votre soupirant avant le mariage, il est évident que une fois le mariage consommé, il va vouloir imposer sa loi. Il vous dira que non, euh, nulle part au monde, dans aucun foyer, la femme ne peut se retrouver euh, en campagne avec d'autres hommes en mission, ou alors se retrouver au service jusqu'à minuit, deux heures du matin, que sais-je, ou faire le réveil matin, euh, quitter la, maison à, à 4 heures du matin pour aller à la radio, faire le réveil matin. Vous comprenez un peu ce que je veux dire Zara Meina, donc euh, journaliste à La Voix du Sahel, vous avez été, euh, euh, je veux dire, vous êtes mariée. Vous avez vécu cette expérience. Avant même que de commencer à travailler, j'étais mariée et mère d'un enfant. Alors, comment vous avez concilié le foyer et ce métier de journalisme J'ai toujours considéré la profession de journaliste comme toute autre profession. La sage-femme, l'infirmière, elle est obligée de faire la garde. Et pourquoi pas, quand je viens dans les métiers de la presse, je vais dire que moi, je ne veux pas me réveiller à 4 heures du matin pour faire radio réveil ou je ne veux pas rester tenir l'antenne jusqu'à minuit. Comment votre, votre époux, donc, lui, l'a ressenti Il a accepté, il vous a accompagné. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Rien que euh, je vous ai déjà dit que nous sommes une société où certaines personnes considèrent que la femme doit être confinée aux travaux domestiques. Donc, si la négociation a abouti à ce que votre euh, conjoint accepte que vous travaillez, il y a déjà un terrain d'entente par rapport à ça. Donc, euh, personnellement, le fait euh, que j'ai été mère de cinq enfants, je les ai élevés, j'ai été épouse presque 40 ans. Donc, je n'ai pas rencontré, j'ai voyagé beaucoup aussi que ce soit à l'intérieur du Niger ou à l'extérieur, je n'ai pas vécu ce genre de contraintes parce que il fallait dès le départ s'entendre sur euh, les, contraintes liées à ce travail. Alors si oui, mhm, allez-y. Donc euh, pour moi en tout cas, la famille n'a jamais été un obstacle à l'exercice de ma profession. Alors si vous peut-être avez eu euh, cette chance d'avoir un homme qui, qui, vous comprenne, qui vous accompagne, est-ce qu'autour de vous, vous n'avez pas vu des femmes journalistes euh, dans une situation difficile, mariées, euh, qui ont dû peut-être abandonner ce métier après le mariage Dans l'étude que nous avons menée, il y a des, des jeunes femmes journalistes qui on dit euh, qu'elles étaient sur le point à cause de certains harcèlements. Tu as fini de présenter ton journal, tu arrives, tu trouves quelqu'un qui t'attend hein, au bas de l'escalier, alors que toi, tu es une femme mariée, tu dois rentrer chez toi. Donc, il y en a qui ont dit qu'elles ont envie d'abandonner à cause de ce genre de situation. Peut-être qu'il y en a qui, sous la pression du mari, ont, ont, renoncé à travailler. En tout cas, je ne sais pas. Nous, en tout cas, au niveau de la voie nous sommes plusieurs femmes mariées qui sont à la rédaction, qui sont au service des programmes, qui sont aussi au niveau de la technique. Et vraiment, ce sont les heures euh, difficiles que tout le monde connaît. Et au niveau d'APAC, euh, tout à l'heure, Nathalie Privot parlait de, se constituer euh, en, des associations pour dénoncer ces, harcèlements. Est-ce que, est -ce que APAC Niger a pris en compte cette question nous avons euh, récemment lancé dans le cadre euh, du programme d'appui aux médias du Niger et financé par euh, la coopération danoise le processus d'élaboration d'un code d'éthique qui prenne en compte les difficultés de la femme travailleuse dans les médias. Les questions de harcèlement, les questions de non-responsabilisation des femmes, nous pensons que nous allons les intégrer dans ce code d'éthique et les négocier avec les promoteurs pour que, au bout d'un certain temps, on puisse évaluer quels sont les progrès qui ont été accomplis. Évidemment, quand on, quand on fait face à certaines situations comme le harcèlement sexuel, il y a des structures, des organisations féminines comme euh, beaucoup d'autres, en tout cas au niveau de Congafen, il y a des structures qui sont spécialisées. Il y a également au niveau des différents services de l'État où on peut porter plainte. Donc, euh, la, femme, mhm. la femme journaliste nigérienne est-elle véritablement compétente sur tous les sujets La situation de marginalisation dont elle est victime est-elle justifiée La réponse avec Nathalie Prévost il y a des sujets traditionnellement féminins. On l'a vécu en France il y a 30 ans et on le vit encore sûrement dans beaucoup d'autres pays. Il y avait des sujets féminins. On, réservait les, aux femmes le portefeuille des affaires sociales, de l'enfance, euh, de l'éducation. Et puis tout ce qui était euh, très gratifiant, euh, c'était réservé aux hommes, les affaires étrangères, le budget, etc. Alors ça, ça c'est en train de disparaître. Il y a beaucoup de pays beaucoup plus avancés que, que nous, que le Niger, que la France même, qui ont une autre conception maintenant de l'occupation de l'espace public et euh, les femmes ne doivent pas avoir de complexe. Mais bien sûr que les femmes peuvent couvrir la politique. En France, on a eu des très grandes journalistes politiques. On a maintenant beaucoup de grands reporters qui sont des femmes. Les reporters de guerre, on a de plus en plus de femmes depuis déjà maintenant 20, 20 ou 30 ans. Aucune raison que ce soit pas vrai au Niger. C'est un mouvement général, mondial. il me semble que c'est absolument nécessaire de faire évoluer cette situation. En termes de droits d'abord, les femmes ont droit d'exercer les mêmes métiers que les hommes et c'est le cas encore une fois dans la fonction publique nigérienne. Nathalie Pevot, ancienne correspondante euh, de TV5 euh, au, Niger, euh, Monsieur Sani Souley Manzo, président de l'Association des journalistes du Niger. Les femmes sont-elles compétentes sur tous les sujets de couverture, de reportage Bon, il y a, je dirais, autant de femmes compétentes que d'hommes compétents. Non, en vérité, vous savez, moi, cette question de femme dans le métier, là, j'ai envie de dire que c'est un faux problème qu'on pose. Ce métier, où on l'exerce correctement, ou on ne l'exerce pas correctement. Est-ce que il ne s'agit pas, il ne s'agit pas, parce que lorsque vous faites correctement le travail, ok, mais c'est le travail qu'on juge, c'est sur la base du travail qu'on vous juge non pas sur votre qualité ou votre état de femme ou d'homme. On veut donc juger ces femmes sur euh, la base de, la qualité de leur travail. Est-ce que autour de vous, euh, dans, les médias où vous êtes, vous avez constaté qu'il y avait des femmes qui avaient une tendance à préférer un sujet par rapport à un autre, ou bien est-ce que vous aviez des femmes qui sont spontanées, ponctuelles sur, sur tous les sujets Non, si on exclut euh, le cas le cas un peu particulier du sport, il n'y a pas de journaliste spécialisé au Niger. Il n'y en a pas. Ce fait que, en vérité, tous les journalistes se relaient pour faire des reportages dans tous les domaines. Il n'y a pas de chasse gardée pour hommes et de chasse gardée pour femmes. C'est vrai que la tentation existe de dire, bon, la femme, elle fait le panier de la ménagère, par exemple, ou elle fait la santé, par exemple, où elle couvre euh, le ministère de la promotion de la femme, par exemple. La tentation existe. Mais la réalité est telle que sur le terrain, il n'est pas possible de confiner la femme à ce seul, à ce domaine. Ce n'est pas possible. Pas possible. Zara Meina, journaliste à la voix euh, du Sahel, pourquoi souvent on remarque que ces femmes n'aiment pas trop des sujets euh, comme la politique, est-ce que vous, vous avez, euh, vous avez fait ce constat euh, Ce que j'ai constaté, c'est que, par exemple, si on prend une rédaction, chacun peut aller euh, au niveau de l'hémicycle, chacun peut aller à la permanence, à la présidence, à la primature. Il n'y a pas de, de, répartition nette de tâches. Mais le constat que je, je fais, c'est que quand on regarde les débats qui se font par exemple au niveau des différentes télévisions, en tout cas très rarement, il n'y a que à Tambara où j'ai vu que euh, il y a une ou plusieurs femmes qui animent euh, des débats sur euh, différentes questions. L'animation des débats est presque réservée aux, hommes. réservée aux hommes. Mais ça avance parce que même euh, euh, dans le domaine de sport où c'est très généralement masculin, nous avons euh, quelques chroniqueurs femmes qui, qui se sont spécialisées dans le sport. Alors, la dernière partie du forum de Studio Kalangou, le nombre de femmes journalistes dans la presse écrite est-il important Dans les écoles de formation ou dans les médias au Niger, on retrouve une fois de plus Nathalie Prévost, ancienne journaliste correspondante de TV5 au Niger. En presse écrite, je pense qu'on retrouve tout simplement les mécanismes de, de pouvoir de la société nigérienne dans son ensemble, c'est-à-dire que les propriétaires des journaux, ils sont généralement très proches des milieux politiques, ils sont généralement intéressés par l'exercice d'un pouvoir ou d'un contre-pouvoir politique. Une enquête que Contrechamp a, a faite en 2003 sur le lectorat de la presse nigérienne et les directeurs de journaux euh, montrait très clairement cette proximité entre la chose politique et les médias euh, écrits. Donc je pense que la raison pour laquelle il y a peu de femmes dedans, c'est que tout simplement, comme les femmes s'autorisent pas tellement à couvrir euh, le, fait politique, du coup, on les retrouve pas tellement dans les journaux. Alors là aussi, dans la presse écrite, nous avons remarqué euh, un, nombre pas grand des, femmes euh, journalistes. Monsieur Manzo, Souley Manzo, président donc de l'association des journalistes du Niger, pourquoi les femmes ne s'intéressent pas trop à la presse écrite selon vous je, je ne saurais répondre à cette question. Je pense que il s'agit là d'un choix personnel, vraiment d'un choix personnel. Parce que quand vous allez euh, aujourd'hui à l'école de journalisme, bon, je ne sais plus si c'était comme par le passé ou comme je l'ai dit, c'est euh, en fonction d'un certain nombre euh, d'aptitudes ou de prérequis que les élèves étaient ou les étudiants étaient orientés. Je ne sais plus si c'est comme ça que les orientations se passent ou si les gens viennent avec euh, leur argent s'inscrire et, dire voilà ce que je veux faire. Alors Zara Meina, vous, selon vous, la presse écrite et les femmes, euh, pourquoi cette réticence euh, La seule exception, c'est l'Office national d'édition et de presse, où les femmes sont assez nombreuses, elles sont restées pendant des années, elles sont restées responsables également, tant au niveau de la rédaction du Sahel quotidien que de la rédaction du Sahel hebdo. Sinon, quand on prend les, journaux privés, il n'y a pratiquement pas de femmes. Également, au niveau de l'Institut de formation technique de l'information et de la communication, c'est la filière presse écrite même qui qui a tendance à disparaître. C'est peut-être l'attrait de l'audiovisuel, sinon les difficultés, elles sont partout. Elles sont même dans la presse euh, audiovisuelle, les, horaires euh, difficiles, c'est la même chose, mais en tout cas, euh, au niveau de la presse écrite, il n'y a que l'ONEP qui fait exception. Alors, hommage à la femme journaliste avec un retour sur un pan de la vie professionnelle d'une icône du domaine des médias, feu Madame Ambali, née Nana Awa Abdou, né en 1960 et décédé le 29 août 2016. La défunte était titulaire du brevet de fin d'études du CFT, actuel IFTIC, option production journalisme et du diplôme d'études de CIRPRO, CIRPRO pardon, de Ouagadougou, spécialisé, euh, spécialiste programme de 1982 à 2000 elle a servi successivement à la radio nationale en tant que productrice, animatrice, présentatrice du journal parlé en français et responsable des informations en langue nationale, puis à la télévision nationale en qualité de présentatrice du journal télévisé de 20h30. Écoutons-la. Si j'étais dans le gouvernement, j'aurais dû longtemps claquer la porte, tout simplement. Parce que je pense que le Niger ne mérite pas un tel gouvernement. Les trois ont échoué jusqu'au niveau de l'État. Aujourd'hui, ils se rendent compte que ça a été un échec total. Il y a deux jours ou trois jours, j'ai vu à la télévision un parti politique auquel on a refusé de tenir un meeting c'était feu Madame Ambali, née Nana Awa Abdou. Alors, euh, on voit bien qu'à travers cet exemple euh, de, la défunte, euh, qu'une femme journaliste peut bel et bien réussir dans sa carrière et arriver à s'imposer, se faire respecter dans la société. Quel commentaire cela suscite en vous Le souvenir d'une femme journaliste et qui, en poursuivant, qui a continué son combat dans la politique. Zara Meina. Madame Hambali Hawa Abdou, paix à son âme, était une femme de caractère. J'ai partagé une dizaine d'années euh, dans le même bureau qu'elle. Donc, euh, c'est une fille qui se, qui se bat, qui ne se décourage pas et qui, du service des programmes, est allée au service des informations, elle est passée à Télésalle et elle a fini de députée. C'est elle a créé aussi un groupe de presse. Elle a créé le groupe de presse, parce qu'elle était présidente de la PAC Niger quand elle a participé à une assemblée générale de la PAC à Bamako. Et c'est là où elle a vu euh, une femme euh, promotrice d'une radio privée. Et quand elle est revenue, j'étais sa vice-présidente au niveau de la PAC avant de la remplacer en tant que présidente. Est-ce que vous pensez euh, que à travers la création de ce groupe de presse, euh, hum, Nana Feu Nana Awa avait euh, décidé, par exemple, de prendre en main les questions qui concernent la, situation de la femme nigérienne à travers sa ligne, la ligne éditoriale de Tambara TV, qui était donc la protection des femmes et des enfants. Rien que le titre Tambara hein, est évocateur en milieu nigérien et ils ont ajouté le miroir de la femme. Donc, euh, nous, nous pensons que euh, à Tambara, euh, toutes les questions qui préoccupent la femme, toutes les questions qui contribuent au progrès des femmes sont des questions essentielles pour Tambara. Alors, euh, cela veut dire, euh, Monsieur euh, Sani Soulet, donc président de l'Association des journalistes du Niger, pour terminer rapidement avec vous, que lorsque des questions de, des questions de femmes sont portées par des femmes journalistes femmes, cela pourrait être un, produit de qualité journalistique nigérien. Non, mais pas forcément. Hein. Vraiment pas forcément. Un homme peut tout aussi bien euh, défendre la cause des femmes. Alors, Zara je, je, pense que le partenariat avec les femmes est essentiel dans tous les domaines où il faut faire avancer la cause des femmes. Parce que c'est euh, ces deux mains qui, qui, font la lessive, ces deux mains qui, qui font les applaudissements, mmh. ces deux pieds qui marchent, il ne faut pas penser que l'homme doit être à l'écart quand on veut promouvoir les droits de la femme. L'homme est décideur. L'homme, c'est le père. L'homme, c'est l'homme politique aussi. L'homme, c'est le fils. Hein. L'homme, c'est l'époux. Donc, tant que l'homme est d'accord pour que euh, les, les droits des femmes soient promus et protégés, ça ne fera qu'avancer. Alors, fidèles auditeurs, c'est la fin de cette émission. J'étais en compagnie de Zara Mena, journaliste à la voix du euh, Sahel et fondatrice de APAC Niger, et de Sani Souley Manzo, président de l'Association des journalistes du Niger. Était né que la femme journaliste au Niger fait face à des difficultés liées aux pesanteurs sociales culturelles, malgré, leur, euh, malgré son engagement. Pourtant, le travail euh, des femmes journalistes ont un impact sur la qualité du produit journalistique nigérien.